akbar pour la science des tafsir Quran pour les points de cette année 1443 l'air l'air plus précisément le 14e ça 14 oui, c'est le 13. Vous avez Non, le, le, comment on appelle le calendrier le 14, 14 avril, puisque je voulais dire 14 avril 2022. Pour le ramadan, c'est le 13e jour aujourd'hui, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations. Hier, on s'est arrêté à la fin du verset euh, 43, c'est ça, 43, 45 plutôt. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu a'lam bi a'daikum wa kafa billahi wa وكفى بالله نصيرا في أماسة الله سبحانه وتعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل n'as-tu pas vu ceux euh, qui ont reçu une partie du livre, donc s'agissant des juifs bien sûr, ils achètent les aliments, ils cherchent à ce que vous égarez du droit chemin. C'est ça leur depuis le temps du prophète Alissa, jusqu'à ces jours-là. Les juifs n'aimeraient jamais, ou bien n'aimera jamais un musulman. Jamais. C'est depuis le temps du prophète sallallahu c'est l'arrivée comment de la religion musulmane. Et le problème, c'est le problème de la religion. C'est le problème de, comment de l'islam. C'est tout le problème. Si vous voyez aujourd'hui, même ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël, on parle de choses politiques, pourquoi pas tout ça là, ils sont en train d'écrire ou pour détourner l'idée des gens envers ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est le problème entre l'islam et l'Israël. Donc c'est ça, même si on tente à, convaincre les musulmans pour dire que c'est un problème politique entre les deux pays, en réalité c'est un problème de la religion sera Et ils ont depuis fort longtemps aimé que les autres deviennent comme eux. C'est ça, donc des mécréants. C'est ça, Allah subhanahu nous dit à travers ce verset. Et dans les autres versets, Allah subhanahu dit Si ces chiffres là donc si ils vous dominent, يكون لهم أعداء اسروا دزنمين كرفوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم إيه إيزي تنروا يا أمان لرمي إيه لرنا إنهم فرد مال par leur mer, par leur bouche. Et enfin, ils aimeraient que vous deveniez des mécréants. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une verset, وَلْتَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ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 لأنهم parmi les Le يحرفون الكلمة عن مواضعه Il détourne les mots de leur présence Nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien souligné dans les saint corans au bout des versets, ce livre qui a été révélé aux Juifs et aux chrétiens, donc la Torah et l'Évangile, ne sont pas le même livre, qui sont dans leurs mains à l'heure actuelle ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, on subit des changements, euh, comment on subit des changements. Et on a effacé certaines choses, ils ont changé certaines choses par leur pouvoir, par ce qu'ils veulent. Ce qui est contre la vérité, ils ont changé cela et mettent ce qu'ils veulent. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les juifs, il y a parmi les juifs donc ceux qui détournent le mot de leur, de leur vrai sens. Donc le sens est là, soit ils changent le mot, ou bien ils changent le sens, ou bien ils font les deux. Donc c'est soit changer le sens, soit, soit changer le mot par un autre, ou bien il faut faire les deux. C'est comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous rappelé hier, dans les deux versets que nous avons lu, donc ils aimeraient toujours qu'on devienne les mécréants comme eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu a'lam bi c'est lui qui connaît mieux vos ennemis. C'est pourquoi il décrit leur caractère pour que vous les connaissiez et vous, saurez comment vous comportez, vous comportez, comment vous comportez envers ces derniers. Donc il fait parmi leur caractère Allah subhanahu wa ta'ala dit Donc ici, Allah ta'ala veut nous montrer comment se manifeste, euh, comment la perdition à nous. Donc la perdition se manifeste à nous à travers le changement des mots ou bien le changement du sens des mots dans leur livre. Ils ont déplacé des choses, ils ont effacé des choses, ils ont remplacé des choses, des mots par certaines choses. Et parmi ce qu'ils ont changé dans leur livre, ou bien parmi ce qu'ils ont caché, les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent bien et bien. C'est mentionné dans leur livre. Un prophète viendra. Donc les derniers du prophète, ils ont espéré que ces derniers soient parmi eux. Mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala connaît où c'est mieux où il faut placer ces choses. Donc il a choisi parmi les Arabes cette fois-ci et pour la toute première fois choisi euh, comme parmi les Arabes un prophète. Donc il y a le prophète Muhammad lui envoyé en tant que dernier, et dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc, Donc tout ce qui montre les caractères, les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont caché. Hier nous avons dit ça, euh, nous avons dit ça, ils ont caché la vérité. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent, voilà la vérité dans leur livre. Ils ont caché. Ça, c'est du côté savoir. Du côté savoir, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes, ils ne disent pas la vérité, ils changent ce qui est dans la, vérité dans leur, dans leur livre. Et du côté comportement, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ils disent, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons entendu ce que tu as amené, ce que tu nous dis, l'islam que tu prêches. Voilà qu'il Mais nous refusons. Nous refusons l'islam, nous n'acceptons pas. Nous avons Ali Asaina et nous, avons désobéi. désobéir. Nous avons désobéi. C'est ce qu'il disait au professeur Allah. alayhi wa Asayna. C'est ça leur caractère. Dans la sourate de euh, Allah subhanahu wa a répété le même, le même verset. Donc presque le même verset.

Donc il faut rappeler à ces juifs-là, leurs grands-parents, avec Moïse, salam, ce qui s'est passé avec eux, Allah subhanahu wa ta'ala a placé le nom Sina et ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il faut le rappeler, lorsque nous avons pris l'engagement de vous, donc on s'adresse euh, aux juifs au temps du prophète wa en faisant allusion avec leurs leur grands-parents, leur grand leurs aïeux. Donc nous avons pris l'engagement de vous et brandir sur vous à tout, dans tout Sina, le mont Sina, en vous disant, tenez ferme à ce que nous avons donné. Donc c'est la Torah. Tenez ferme l'engagement. Tenez ferme cette livre qui a été révélée sur Moïse, alayhi Qu'est-ce qu'ils ont dit Et Allah a dit, wasma, et écoutez bien. Il donne comme réponse, Samina wa Nous avons bien écouté, mais désobéir. C'est ça leur caractère. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils ne font jamais ça. Ils font le contraire de ce qu'on leur demande de faire. C'est pourquoi Allah dit C'est ça leur caractère. S'il s'agit de travailler, de, de, de, ils ne font pas. Tant qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc du côté savoir, ils, sont mauvais. Du côté travail, ils sont encore mauvais. Samina wa et il continue en disant au prophète Ali alayhi salatu wasma ghayra muslimin. Écoute. Wasma, écoute au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Donc sans que tu sois entendu. Donc euh, c'est une manière de dire au prophète écoute, mais ce que nous allons dire n'a pas de Ali, Ali, euh, on ne va pas te dire ce qui va t'intéresser. Wasma ghayra muslimin. Écoute bien, mais ce que nous allons dire, ça ne va pas te plaire. Donc c'est une manière d'être impoli envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de manquer, c'est une manière de manquer du respect au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. de la même manière ils disent Ra'ina. Ra'ina c'est un mot que les, juifs utilisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a des sens qui a des sens donc Wara'ina mais eux autres ils utilisent Wara'ina dans le mauvais sens Wara'ina ça veut dire que un homme, un homme euh, comment euh, quelqu'un qui n'est pas considéré. Donc ça c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux croyants de ne pas utiliser ce mot Ra'ina. Parce que quand on, dit Ra'ina, ces juifs utilisent Ra'ina, ce n'est pas dans, son vrai sens, ce n'est pas, dans le bon sens. Ils disent, euh, Allah subhanahu wa dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la taqulu Ra'ina wa قلنا واسمعوا دونك راينا ان كون parmi nous راينا quelqu'un qui est sous-estimé quelqu'un qui n'est pas considéré c'est comme ça راينا c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit atadou aux croyants de l'utiliser يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راينا وقولوا زلنا واسمعوا donc vous, vous, vous qui croyez qui avez cru ne dites pas راينا donc n'utilisez pas le mot راينا mais il faut dire لا تقولوا رائنا وكل زنا واسمعوا دونك الفو دي ايكوتن ايه اكو سي مو مالا سامي بيرتي سامي سامي اكو ريسي تريكي لا تقولوا رائنا وكل زنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم دونك الله سبحانه وتعالى دونك لا تقولوا رائنا وكل زنا واسمعوا ولو انهم قالوا si ces juifs disaient nous avons entendu et obéi, la lahum wa Cela est meilleur pour, eux et même plus droit. Donc ce qu'on demande c'est de dire nous avons entendu et nous allons faire ce qu'on demande, ce qu'Allah nous demande de faire. Donc si ce qu'ils ont dit, c'est ça la convaincue. c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui est plus droit pour eux, que de rester têtu envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. Au lieu de rester, c'est moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et utiliser les salmos lui, lui manquer du respect pour la jalousie, à cause de la jalousie. Le prophète euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au lieu de perdre leur temps en disant cela, donc il faut dire, « au semina. Nous avons écouté, nous avons obéi. Si c'est ça leur, leur, leur, euh, leur place, si ce qu'ils ont dit au prophète, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut dire. Voilà qu'il Mais le problème, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits à cause de leur mécréance. Ils ont été maudits par Allah subhanahu wa à cause de leur mécréance. Et peu d'entre eux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur foi n'est pas bonne. Leur foi est une mauvaise foi. Et peu parmi les juifs qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi même au temps du prophète Ali les, les, juifs qui ont cru au prophète Ali ils ont suivi le prophète, sont à compter. Parmi eux, on compte Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam, qui était un juif, il a cru au prophète, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a manifesté en lui l'islam, il a pratiqué l'islam correctement. Mais les autres, non. Les autres, non. Parmi eux, peu d'autres qui embrassent l'islam. C'est pourquoi Allah a dit ici, Donc après avoir nous montré que ce sont nous, ce sont nous, nos, comment on nos ennemis, ils cachent la vérité à eux-mêmes il manifeste jamais ce qu'Allah leur montre hier et aujourd'hui Allah subhanahu dit voilà comment ils se comportent donc méfiez-vous d'eux dans et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce Ya ayyuhalladhina utul kitab, vous qui avez, vous qui, vous à qui on a donné le livre, ayyuhalladhina utul kitab, vous qui avez, vous à qui on a donné le livre, aminu bima nazalna musaddiqan lima ma'ahu croyez à ce que nous avons fait descendre Musaddiqan maman, en confirmation de ce que vous avez déjà من قبل أن نكمس وجوها أو كنوزي فاسيون دي فيزاج فنردها على أدبارها إي نو لي روتونيون سانس يعني ديفان نو أو نلعنكم كما لأن أصحاب السبت أو كي نو لي موديسيون كوم نو زافون مودي لي جان وكان أمر الله مفعولا كان مدمد الله إي توجور إكزيكيتي Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous parler de ces juifs, surtout les savants parmi nous, ceux qui savent ce qui est dans la Torah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina utul Ô vous à qui on a donné les livres, c'est les juifs en général et surtout ceux qui connaissent ce qui est dans, le, dans la Torah. le Coran. Et le Coran, donc confirme, confirme ce qui est arrivé avant, lui, donc les livres qui l'ont précédé. Donc en confirmation de ce qui vous avez déjà, les livres qui sont devant vous, et que vous possédez, la Torah et l'Évangile, le, Coran confirme l'arrivée de cette Torah et de cette Évangile. Moussadika l'imam Wakoum confirme ce qui est dans la Torah. Donc vous avez déjà ces livres avec vous et le Coran confirme, atteste qu'Allah a révélé ces livres-là envers vous. Donc envers Moussa et Isa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم Dans Surah 5, verset 49, Allah dit Et sur toi, au prophète Muhammad nous avons fait descendre le livre. Le livre ici, c'est le Coran, donc avec la vérité. Nous avons fait descendre le Coran avec la vérité. Et ben pour confirmer les livres qui étaient avant lui. Donc à l'origine, c'est-à-dire ces livres-là, de la part de leur origine, sont vrais mais c'est qu'ils ont subi des transformations avant la descente avant la descente du Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala appelle les juifs, appelle les chrétiens de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque vous, vous avez déjà le livre. Et dans ce livre, il est mentionné qu'un prophète viendra. Voilà que le prophète là est arrivé. Il est arrivé avec un autre livre de la part de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous qui avez déjà la nouvelle, vous connaissez déjà quelque chose, vous connaissez déjà quelque chose comment à propos de ce prophète, il faut vite embrasser cette, comment cette, cette religion-là. Il faut vite suivre le prophète avant les autres. Puisque quand tu connais quelque chose, ou bien si tu as quelque chose, et après tout, une chose vient, après confirme ce qui est chez toi, alors ce qui est mieux placé pour suivre euh, cette, chose-là, c'est toi. Puisque tu as déjà, tu connais déjà quelque chose. Tu as déjà une idée avant l'arrivée de cette chose-là. Mais si la, chose arrive, alors c'est toi qui es mieux placé de suivre ce qui, vient, ce qui est venu après. C'est pourquoi Allah soit les appels de, ce, de, de, comment le dans ce verset. Et kitab. Oh vous qui, à qui on a donné le livre, Donc croyez à ce que nous avons fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce livre vient vous confirmer ce qui vous avez déjà dans vos mains. Et même, pas seulement ça, quand vous croyez en vos livres et vous ne croyez pas à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance n'est pas au complet. Donc vous n'avez pas une croyance totale, une, croyance, une vraie croyance. Parce que euh, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre tous ces livres-là. Si vous croyez en ce qui est dans vos mains et vous refusez de croire en ce qui est dans les mains des musulmans ou dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une fausse croyance. C'est pourquoi chez nous les musulmans, la croyance ne sera pas au complet tant que tu ne crois pas à ce qui a été révélé en ces prophètes-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran Qulu amanna billahi wa ma ilayna wa ma ila Ibrahim wa Ismaïl wa Isaac dans Surat al-Baqarah et dans Surat al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Dites, nous avons cru à ce qui a été révélé sur nous. Nous avons cru en ce qui a été révélé au prophète Ibrahim, Moussa, Isa et même les, tribus. Donc c'est ça la foi musulmane. Quand tu crois au prophète Mohammed et tu ne crois pas aux, autres, aux autres prophètes, tu n'as pas la foi et pardon, tu n'as pas la foi correcte. C'est pourquoi il faut croire en tous ces prophètes-là. C'est pourquoi, de l'autre côté aussi, si vous croyez en ce qui a été révélé chez vous, le livre, et vous croyez en ces prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala chez vous, mais vous refusez de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé aux musulmans, aux arabes, alors là, la foi n'est pas correcte. pour le donc Allah les invite à croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle dit, il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala avant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien avant la descente de la punition de sa part. avant que nous les les faces et nous tournons ces faces là vers derrière donc vers la nuque les éléments du tafsir ont donné plusieurs sens sur ces versets. Mais comme Certains musulmans disent que nous tournons ces faces-là vers derrière, ça voudrait dire que nous, la vraie face, cette face-là, Allah subhanahu l'a fait tourner ça vers, vers la nuque. Donc les yeux, les nez, tout ça là, se derrière et la nuque devient devant. أبائنا أو نلعنهم كما لأن أصحاب الصف سلاء ابن عباس رضي الله عنه يدي أن تعمى ونجعل يعني, يعني ونجعل قفتي قف يعني قفي يعني القفا القفا لا نكسر دونك لا نك فيمشون تحقر أي فون مارشي النارية كل مارشي مارشي ديفون كم سا mais comme la face est tournée vers derrière, donc ils vont marcher en arrière. C'est comme ça. Donc une manière de, de les maudire, une manière de rendre leur vie pénible. De la même manière, Katada et Asiya al-Awfi ont dit. Pour, selon Mujahid, un des grands traducteurs du Saint-Coran, il dit nous tournons, nous tournons, tournons la face فيرد ديال ساو دير دير عن الصراط عن صراط الحق دي دروا شمال ساو دير كون فنردها على أدبارها سالي دير تنين دي دروا شمال et ils vont rester comme ça, ils vont rester dans la perdition. Donc si le refusent de suivre Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qui, ce qui va les arriver. Donc on va les détourner du droit chemin et ils vont rester dans la perdition. Un autre euh, traducteur du Saint-Coran, Ibn Abizet, il dit « Fanaruddaha ala donc nous allons le faire retourner dans comment t on nous allons les chasser du Médine donc du péninsule arabe vers un autre pays qui est, qui et effectivement ça a été fait surtout après après comment t on d'avoir rompu c'est qu'il a été signé avec le prophète alayhi Donc ils étaient à Médine, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il les a chassés de Médine pour aller se réfugier ailleurs. Donc selon Ibn musée, le verset signifie tourner la face derrière, donc c'est de les chasser de Médine, ils vont aller se réfugier ailleurs. Donc voilà, c'est une des explications que les humains ont données à propos de la reconnaissance de De ce verset فنردها على أدبارنا دونك أي الله سبحانه وتعالى أباس الشات ملا بذلك أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت كوك نولو موديسون كوم نوز أفون ديجا مودي لور أي كون أصحاب السبت لي جان دي سبت Ici, leur histoire se trouve dans la sourate Bakara et plus détaillée dans la sourate Al-Araf, donc le 7 ou 7 sourate du Saint-Coran. Ashab Sabt, les gens des sabs, c'est toujours les juifs, concernant les juifs. Eux, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a commencé par créer le ciel la terre, il a commencé dimanche et terminé vendredi, il se repose samedi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les tester, il les a dit bien. C'est pourquoi ils ont choisi, leur jour du repos comme le samedi. Chez eux, ce n'est pas dimanche, c'est le samedi qui se repose chez le chrétien le dimanche. Nous les, musulmans, c'est le vendredi. Le prophète a dit, nous sommes les derniers à venir sur la terre, donc nous sommes les derniers de communauté et nous sommes les gens qui ont réussi à prendre ce qu'Allah a fait comme un cadeau. Puisque chaque communauté, les juifs, les chrétiens, Allah les a présentés le vendredi comme le jour de la fête, leur jour de fête pendant la semaine. Ils ont refusé, les juifs ont refusé de prendre le vendredi, vendredi ils ont pris samedi. Les chrétiens, à leur arrivée, Allah a présenté aussi le vendredi comme leur jour, de, leur jour de fête de la semaine. Ils ont laissé vendredi et prendre dimanche. Mais les musulmans, à leur arrivée, lorsqu'Allah les a présentés le vendredi comme leur jour du repos, leur jour de fête de la semaine, et les musulmans ont accepté ça. C'est pourquoi le prophète a dit, nous sommes les derniers, mais nous sommes les plus chanceux. Nous sommes les derniers à venir sur cette terre et nous serons les premiers le jour de la résurrection. Donc Allah a dit à ces, derniers-là de nous comme c'est le samedi qui se repose, donc il faut rester à la maison aussi sans travailler. Et ils sont des pécheurs. Allah subhanahu wa pour les tester, ils restent à la maison samedi. C'est en ce moment que les rivières se remplissent de poissons. Ils vont au bord de la rivière, ils voient des poissons qui nous font quitter de l'eau pour voir. Ils sont, c'est bon. Mais après cela, s'ils viennent dimanche et les autres jours de la semaine, ils ne gagnent presque rien. Donc c'est un texte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir s'ils vont respecter ou pas. Et ils sont têtus, ils ne respectent rien venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont commencé par faire un plan. Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent vendredi. Ils passent leur gilet, leur piège vendredi. Et samedi, ils restent à la maison sans rien faire. Donc ils ne viennent même pas. Maintenant, dimanche, c'est dimanche qu'ils vont venir prendre ce qu'ils ont placé comme des pièges et des filets dans, dans, dans, dans la rivière. Donc c'est une manière de dire à Dieu, ils sont malins, ils sont intelligents. On nous a dit de, ne pas venir samedi, mais bien sûr que nous n'allons pas venir, mais voilà, nous allons piéger. Ils placent les filets vendredi et ils viennent dimanche pour tirer ces filets, ces filets-là, plein de poissons. Et pourtant, ils ont interdit de pêcher le samedi. Donc si vous placez le, comment les filets vendredi et que le samedi, comme c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala veut les tester, les poissons viennent en grande quantité. Donc les poissons tombent dans des filets. Même s'ils ne sont pas là, ils ont péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dit de ne plus faire ça. Ils ont refusé. Les biens parmi eux, les bons parmi eux, ils ont péché. Ne faites pas cela, c'est un péché. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit de faire. Ils ont refusé de le faire. Mais qu'est-ce qui a été fait Par finir, le jour où ils sont venus pour prendre ces filets-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus des portes et des chimpanzés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à ces juifs ici, voilà ce qui s'est passé avec vos aïeux par le passé. Ils étaient têtus, ils n'ont pas cru Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qui s'est passé avec eux. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina utul kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima Vous qui avez déjà des les juifs, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, en ce prophète qui est, qui est envoyé et en ce livre qui a été révélé le prophète. Donc croyez avant que ça ne soit, tard. Si vous refusez de croire, voilà ce qu'Allah subhanahu va faire de vous. Donc soit on retourne la face vers derrière et vous allez continuer la vie comme ça. Ou bien nous allons les maudire comme nous avons maudit les des sens. Donc c'est péché. les ordres sont applicables. Une fois qu'Allah a dit kun fayakun, une fois qu'Allah dit à une chose d'être, elle va se manifester, elle va se manifester en arrière ومن يشرك بالله يجيكم دون أن نسوسي à Allah subhanahu wa ta'ala, افترى اسما عظيما il a commis un énorme péché donc ce verset il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés sauf le shirk donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous allez commettre comme du péché Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de vous pardonner même le jour de la résurrection si vous mourrez sans faire tout Allah subhanahu wa ta'ala, dans son vouloir, même au jour de la résurrection, il peut vous pardonner. Mais seulement, il ne faut jamais mourir en tant qu'un associateur, un mouchik, celui qui donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense avant-hier que dans la semaine, nous avons essayé de donner des exemples sur ça. Aucune adoration, aucune adoration ne sera donnée à une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu quelle que soit, cette adoration-là, en dehors de la prière, ces, adorations connues, la prière, le jeûne, la zakat, tout ce que nous connaissons comme les cinq piliers, ce sont des adorations. Mais en dehors de ces adorations, il y a aussi beaucoup des adorations. Demande de la santé, demande de l'argent, demande, je sais pas, de l'espoir, demande de la protection, tout ce que vous voulez, même immoler et une adoration. Tu ne dois pas immoler, donner à une, euh, je sais pas, une créature. Non, tout ça c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une adoration. Donc si vous prenez une de ces adorations donnez à quoi que, que ce soit, il faut savoir que vous êtes en état de vous êtes mouché vous avez associé quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah n'est pas qu'on lui donne des associés. C'est pourquoi il dit La La seule personne qui n'obtient pas le pardon d'Allah subhanahu est celui qui meurt en tant qu'associateur, mushrik. Parce que est lui seul qui va rester dans le fil de l'enfer. Éternellement, lui, il ne va jamais sortir. que quand quelqu'un meurt avec même une, petite foi, imani, un peu d'imani, Allah subhanahu ta'ala va permettre au prophète Ali d'intercéder, de faire sortir ceux-là qui ont cru à Allah subhanahu de l'enfer pour les amener. Allah subhanahu wa ta'ala va donner la chance aux croyants d'intercéder, cest à de faire sortir certains des, des croyants de l'enfer, va permettre à certains des amis pour faire sortir certains des amis, euh, leurs amis qui, qui n'ont pas eu la chance d'aller au paradis premièrement. Donc Allah va faire sortir après, Ali à l'enfer en enfer, tous ceux qui ont cru à Allah même Iman, c'est un peu seulement, Allah subhanahu wa te faire sortir de l'enfer. Mais si c'est shirk, c'est celui-là qui va rester éternellement, celui-là, celui là qui va rester. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et même les associateurs à Chine في نار dans le feu de جهنم خالدين فيها ils demeurent ils vont demeurer dans le feu de l'enfer éternellement ils ne vont jamais sortir donc chèque, ce n'est pas une petite, c'est pas un petit péché. Allah subhanahu wa n'aime pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Reste fidèle à Allah subhanahu wa Il est le seul qui t'a créé, il est le seul qui mérite d'être adoré. Nous avons lu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part d'Abdullah bin Massoud qui lui demande, qui lui demande azam. Quel est le plus grand péché Le prophète alayhi wa sallam a dit quoi c'est de donner un associé à Allah subhanahu et pourtant c'est lui qui t'a créé. L'autre que tu as mis au même pied d'égalité, euh, comment, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas participé à ta création. Allah, il est le seul qui t'a créé. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala et tu demandes une autre, une autre créature Non, Allah ne veut pas ça. Allah ne veut pas ça. Donc, si tu fais tout bas, Allah va accepter ton bas, Même si tu fais du chic, il va accepter te pardonner. Mais quand tu meurs en tant qu'associateur, sache que Allah a promis qu'il ne va jamais donner, et qu'on va pardonner à celui qui meurt en tant que mushrik. Et après ça, après le chic, tout ce que vous commettez comme des péchés, tout ce que nous commettons comme des péchés, Allah peut nous pardonner. Même après la mort, le prophète a dit on va amener un serviteur le jour de la résurrection. Et Allah va commencer par nous rappeler ses péchés, Les ses péchés le jour, lorsqu'il était sur la terre. Allah dit Attends, mais tu te rappelles d'un péché que tu, as, commis tel jour et tel jour, à tel moment, avec telle personne Il va dire Oui, Allah. Atazkur Zambakana, tu te rappelles de ce péché Il va dire oui. Atazkur Zambakana, tu te rappelles de ce péché va commencer par nous rappeler de ce péché. Il va voir, il ne peut pas nier. C'est lui qui a connu le jour là, il n'y a pas de mensonge, c'est la vérité ou rien. Il va accepter et reconnaître jusqu'à ce que le serviteur a dit, euh, comment, désespère. Il voit que les péchés sont beaucoup, tellement qu'il ne va pas obtenir le pardon d'Allah subhanahu Et Allah subhanahu va le dire, quand tu as fait ça sur la terre, tu savais bien ce que tu avais fait sur la terre. Moi, j'ai ouvert ce péché-là pour toi, sans toutefois te trahir. Et personne ne sait, après moi. Tout comme j'ai ouvert ce péché-là pour toi le jour de la rédemption, c'est comme ça aussi que je vais ouvrir ce péché-là sans te trahir. Vas-y au paradis. C'est comme ça. S'il n'y a pas chic, il faut toujours garder espoir. Tant qu'il n'y a pas de chiffre dans tes, dans œuvres, il faut toujours garder le même après la mort. Un musulman, un croyant peut toujours obtenir le pardon d'Allah subhanahu Mais ce qui est grave, c'est le chiffre. Et c'est ce que nous ne voulons pas laisser. Surtout si on a besoin de la santé, de l'argent, surtout un problème de l'argent dans notre temps. Tout ce qu'on demande à un homme de faire, il est capable de tout faire pour avoir de l'argent. Les gens sont là. Et même ils font des propos vraiment malsains. Les gens disent qu'ils préfèrent mourir riches et même rentrer en enfer le jour de la révolution que de mourir pauvre. Subhanallah, vraiment subhanallah. Ils disent ça. Donc ils passent pas n'importe quel moment pour obtenir de l'argent. Et la honte, lui, il veut éviter. Éviter la honte sur ces là Il va toujours rester avec l'argent c'est comme ça. Donc on lui dit d'amener, je ne sais pas, un membre du corps d'un enfant qui peut amener. C'est ça. Ici c'est encore mieux, mais allez-y dans, dans, les autres pays, vous allez voir un enfant de 7 ans qui revient de l'école, on le prend, on le cherche, on ne le trouve pas. Mais à un moment donné, on va le voir, allez, on va le trouver quelque part mort. Peut-être c'est ça le qu'on a coupé. Peut-être c'est son sexe qu'on a coupé. Peut-être c'est l'oreille qu'on a besoin, on a coupé, on a tué. Peut-être c'est ça, euh, comment c'est la foi qu'on veut. On opère, on coupe, on opère, on, enlève la foi et on part. Tout ça là, si ce n'est pas la politique, c'est de l'argent. C'est comme ça. C'est du chic. Qu'est-ce que tu peux avoir de certain là que Dieu ne peut pas te faire Les gens sont pressés. Si on va suivre la voie d'Allah, on sera en retard. C'est ce que les gens disent. Donc il, il, faut, il, faut, il faut emprunter une voie, à dire raccourci. Dans trois mois, tu es riche. Dans six mois, tu deviens grand riche. Et on t'appelle Aladji, Aladji, Aladji. Et pourtant, les gens ne savent pas par quel moyen tu es passé pour avoir cet argent-là. Si c'est du chèque, tu meurs d'un chèque, ça va bien. C'est fini pour toi. tu ne vas jamais obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yakfir an yushrakabi. Mais en dehors des chiffres, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il y a des hadiths rapportés dans ce sens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths rapportés par Imam Ahmad et Tirmizi de la part d'Abu Zar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yakul ya abdi ma abattani wa radotani fa inni ghafiru laka ala ma kana fik. Ya abdi innaka illa kitani bi qurabin ardi khati'a ma la Le prophète a dit dit, mon serviteur, tu ne m'as pas adoré et placé ton espoir en moi. Quand tu fais cela, moi je vais te pardonner. Tout ce que tu as fait, moi je te pardonne, aucun problème. Et le prophète dit, oh, mon serviteur, si tu viens me rencontrer avec comme péché le sable de cette terre-là, Disons que le sable de cette terre-là, c'est tout un péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il n'y a pas association, tu ne m'as pas donné un associé, Allah subhanahu wa dit, je vais te rencontrer avec son exemplaire de pardon. Il a dit, je vais, te pardonner sans problème. Il a dit, quelle que soit la grandeur de tes péchés, tant qu'il n'y a pas cher Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Dans notre hadith rapporté toujours par Imam Ahmad, de la part de hommes, toujours, le prophète dit, التي اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر دي يسي بنشي لو صلى الله عليه وسلم دي ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه وكان سر مثال دي لا اله الا الله الى تست لا اله الا الله اي الميرس لا اله الا الله الا دخل الجنه شوف كان الله سبحانه وتعالى بفعل تردد البارتي دي لا اله الا الله الكروع عن صح صح شرك Donc, même s'il a commis des péchés, son c'est le paradis. il dit, wa Abu Zar dit au prophète, mais ce dernier, même s'il si, ah bah, a, volé, il a forniqué, il a volé, il a fait zina, il a dit seulement la il, euh, il meurt dans la ilaha Mais ce dernier ira au paradis, même s'il vole, même s'il fornique. Le prophète a dit oui, même s'il vole, même s'il fornique, Abou Zar n'était pas satisfait. Il a posé une deuxième fois la question. Wa inzana wa insaraka, même s'il vole, même s'il fornique, le prophète a dit oui, même s'il vole, même s'il fornique. Jusqu'à trois fois, quatrième fois, Abou Zar dit wa inzana wa insaraka, et le prophète a alayhi dit wa inzana wa insaraka, ragmahan fa Abu Zar. C'est comme si Abou Zar n'était pas convaincu. Comment l'homme, seulement il a dit la ilaha illallah, il dit la ilaha il meurt, il aura le paradis, même s'il a forniqué, même s'il a volé. Le prophète a dit oui, même si toi tu ne fais pas, malgré toi, il ira au paradis. Abizar, même si tu ne fais pas, malgré toi, il ira, il au paradis. C'est ça. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas chic. Il n'y a pas, il n'a pas donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith rapporté toujours par Imam Ahmed, mais cette fois-ci d'Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Huraira dit Samit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kana fi bani Israël rajulan. Il était dans les fils d'Israël deux hommes. Kana ahaduhuma mujtahidan fil ibada wa kana al-akhar musrifan ala nafsihi. L'un d'entre eux est un vrai croyant, il pratiquait bien la religion. il adorait bien Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le deuxième, malheureusement, il s'en fout. C'est un négligent. Il n'adore pas correctement Allah subhanahu wa ta'ala et il commet des péchés. Ils étaient des amis, deux frères. Celui qui est fort, celui qui pratique bien la religion, ne cesse de voir son camarade, son frère commettre des péchés. Et il le dit. Ya mon frère, axe, cesse de commettre des péchés. Et celui qui commet des péchés il dit, Ali donne la réponse au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pratiquait bien son adoration en disant Khalini wa Rabbi, laisse moi Seigneur et moi, ce n'est pas à toi que je commets des péchés. Laisse-moi. Abu alayya raqiba, mais on t'a envoyé pour être mon souverain pour me surveiller. C'est comme ça. Et il dit, une fois, il a vu son frère commettre un péché. Et il a vu que c'est un grand péché que l'homme est en train de, de commettre. Et il a dit, Axel, qu'est-ce qui t'arrive Cesse de commettre le péché. Et celui qui commet le péché répond de la même manière mais laisse-moi, Seigneur, et moi. Ce n'est pas ton problème, laisse-moi. C'est mon problème, c'est mon problème de mon Seigneur. Abu alayhi faqal, il dit, Wallahi la yakfirullahu Donc, le serviteur, celui qui adore bien Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahi, ce que tu fais là, tu n'obtiendras pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version, tu ne rends même pas au paradis. Tu ne rends pas le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur chat, Allah subhanahu a envoyé l'âge de la mort de prendre leur âme. Et tous sont morts sur chaque. Et ils sont retrouvés devant Allah subhanahu wa ta'ala, eux les deux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit le musulman, celui qui faisait du péché, qui commettait du péché, il a le fait va au paradis. Le serviteur est là, celui qui adorait bien Allah subhanahu wa ta'ala était là. Mais on a dit à ce dernier, celui qui commettait des péchés, vas-y au paradis. Laisse celui qui, a, celui qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, bi rahmati. Vas-y au paradis avec ma, miséricorde. il a dit à l'autre celui qui a dit à son, frère Dieu ne va jamais te pardonner bi tu connais, tu me connais bien, tu sais ce qui se passe chez moi. Akunta ma fille, est-ce que tu as le pouvoir de ce qui est chez moi Tu peux te, tu peux, ah bah, tu peux agir, tu peux utiliser quelque chose de ce qui est chez moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, prenez ce, dernier, il faut l'amener en enfer. Oui, ton frère commet du péché. Ce n'est pas toi qui pardonnes. Il suffit seulement de lui prêcher. Mon frère, Allah ne veut pas ça. Cesse de commettre. Reste là-bas. Mais allez jusqu'à dire à ton frère que tu n'auras pas le pardon d'Allah, c'est toi, c'est toi Dieu c'est toi qui partage, qui partage ce pardon-là. Lorsqu'Allah avait pardonné à quelqu'un, est-ce qu'il te consulte Non. Est-ce que tu as le pouvoir tu, as, tu, peux, tu peux, je ne sais pas, toucher ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala Tu veux prendre quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, donner à quelqu'un Non. Seul Allah subhanahu wa ta'ala qui agit comme il veut. Voilà إلو بروفيت صلى الله عليه وسلم عن فيلادي فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بق أو يعني أوبقت دنياه أخرى ce dernier qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il a seulement dit un mot, une phrase, et ça l'a coûté cher sur ce tu n'obtiendras pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala Tant que ce n'est pas shirk, il faut toujours garder l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala fait pardon. Il dit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 Inna Allah dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Inna huwa al rahim. Donc il est sept, le pardonneur et le très miséricordieux. Donc le chien, c'est ce qu'il faut éviter. Allah subhanahu n'aime pas pour nous ceci quelque chose. C'est pourquoi dans un dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yagar. Allah aussi est jaloux. Tout comme nous sommes des jaloux, Allah aussi est jaloux. Le prophète explique cela. Il dit Waghiratullahi et la jalousie subhanahu wa ta'ala, c'est quoi Il n'est pas qu'on lui attribue un associé. Il n'est pas. C'est pourquoi il ne pardonne jamais à ceux-là qui lui donnent des associés. Donc, Hachim, c'est un grand péché. Hachim, c'est un grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à celui qui lui associe un associé après, mais, euh, comment dans sa vie. Et s'il meurt d'un il est toujours en enfer. Il va rester toujours en enfer. Il est le seul à rester sans sortir. Allah subhanahu wa nous assiste. Il nous a arrêté ici. Demain, nous allons continuer avec le 47e verset. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعزل الشرك والمشركين ودمر الله اعداء الدين وانصر بارك المهدين اللهم علمنا في وضعين واصلح عمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتقى رداك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك وما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين